Euh, dama ci kontaan am naa ci kontaan dama ci kontaan parce que euh, li ñu bëggoon am nañ ko mooy dañu bëggoon euh, jëlaat suñu titre jëlaat raw gàddu gi jëlaat nañ ko donc kontaan naa trop si li li li fi xew tey fii ci suñu dëkk bi ñu xam ne dañu invité suñu mbokk africain ba pare jëlaat suñu tiitre Euh, vraiment content na ci trop. ñun nous deux ans de préparation yo euh, confirmer ni que suñu zone bi pays ñun nous euh, ño ño fété ño leen kaw Nous confirmer nous ba rek nous ci li nga nous championnat d'Afrique et je pense que nous paré nañu ren paré nañu vraiment pour attaquer du championnat d'Afrique. alors il y a eu la Guinée la Guinée Conakry il y a eu le, le Cap-Vert et surtout un, bon boxeur euh, de la Guinée-Bissau. Euh, de la Guinée-Bissau. Mais si on regarde en général, c'est un potentiel africain que je vois. D'accord Et je pense que c'est l'union qui fait la force. D'accord Si on arrive aujourd'hui, nous, entre fédérations, à faire des stages entre nous, afin d'aguerrir et augmenter notre niveau, c'est ce qui va nous permettre aux médailles olympiques et internationaux de faire quelque chose. Bah, sur le bilan technique, euh, on a montré que on avait du talent, on a pu reproduire ce qu'on a fait déjà euh, l'année dernière, mais au-delà de ça, on voulait vraiment euh, le faire au Sénégal afin que les Sénégalais soient fiers et, puissent reporter les médailles. Et comme je dis, nous on vise les Jeux Olympiques. on a eu des catégories malheureusement poids lourd, Derga Baldé, 75 euh, kg, euh, Alphonse Mendy, où ils n'ont pas eu d'adversaire, donc c'est des médailles en moins. Chez les filles aussi, mais dans l'ensemble, ce qu'on va regarder euh, au-delà des médailles, c'est la qualité de la boxe sénégalaise.